Voilà, truc et astuce. Truc et astuce à 9h13 minutes dans la matinale de Morning King avec Fatimo Ibintou. Truc et astuce. Truc et astuce, comment réussir à attirer les clients dans son restaurant waaw lu nañu Fatim au fii si Sénégal euh, restaurant yi dafa des lu bëri. Mhm. léegi boo bëggee monter li nga xam ne ne que mooy euh, nekk ci milieu restauration bi. Mhm. am na ay astuces yoo xam ne ne que boo ko defee rek macha allah di nga gis li nga xam ne ne que mooy amélioration wala. quelques résultats waaw quelques résultats. Mhm. parce que da ngay gis ku ñëw rek dugg ci milieu bi ba ci yàgg rek mu ne c'est devenu monotone wala client yi dematuñ fa. lan moo ko waral truc et astuce yi nga xamné ne que boko défé ci ce restaurant je pense bien que tu auras des clients ba paré di nga gis né que aspect bi bi muy joxé par rapport aux autres clients euh, aux autres restaurants du mm-hmm, moins ben bi moy que formule yi nga xamné ne que mom le restaurant yi di proposer mm-hmm. pitié lundi maafe mercredi yaasa chaque jour c'est la même chose du lundi au dimanche alors que l'autre, mën nga ko am que je veux dire mhm. euh, Les différences, bi rek moy niñ koy servir et tout ça mais du lundi au vendredi du 1er janvier au 31 décembre tu proposes la même chose je mhm. pense que ça n'a pas de sens quelque bon quelque part ça a un sens parce que euh, le Sénégalais aime son cheap waaw mais euh, bon tu ceeb. à côté nga revisiter un plat. je suis d'accord aujourd'hui tu proposes un plat sénégalais et à côté tu mets un plat européen ou je ne sais pas. voilà y ben un documentaire bu ma un fan mhm. musée la dama musée bi. Mhm. mais dafa bëri. Mhm. ay un euh, ñu fay ñëw. Ah. te Inde yu c'est des végétariens. bien sûr Les restaurant ou musée bi. daal revisiter un plat. Ah. parce que pour ne pas perdre les clients. Uh-huh. on va proposer des plats yo, xam végétarien. effectivement xam nga ko que nous, on bëggoo lu diis. Mhm. nga proposé ko ben salade à côté. Mhm. dina né ah restaurant bi dé proposé won nañ salade pourquoi pas retourner ci restaurant bobu. bien sûr alors que fi malheureusement da ngay ñew ñu premier plat bu deuxième plat ah, non non non non non. tu vois alors que diversité bi bokay par rapport à sa place. ça attire li nga clientèle bi. effectivement Benen bi moy accès facile. Mhm da ngay yor sa auto bëgg ñëw si restaurant doo am foo gaare. ça te décourage da ngay dem sa yoon. c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai. restaurant dafa war a nekk foo xam ne ne que da ngay ñëw rek ñu ne la gaareel fii nga gaare nga wàcc dugg. voilà avec un gardien à la porte. qui va vous guider on dit oui garer par ici. mais nga dem ba si ni ko Macky di waxee ñoo xëri xaj kenn xamul fan nga nekk. <laughs> nga ñëw ñu naan ana restaurant Fatim o ñu naan la bo jaade ga gauche nga jaad tout droit di nga gis ben panneau bu nek fofu eh, eh. ngay wër restaurant. effectivement les restaurants sont panneaux là. Hein, pour montrer que c'est un restaurant. Il faut, c'est une obligation. ah oui ah oui. mais am na ñu ci bëri malheureusement dañuy bañ fay patanque bi wala kiiw restaurant euh, ki yi nga xamné ne que mom la restaurant yi wara fay. Mhm. on est obligé di wër te ñun yeggaguñu ci système bo xamné ne que restaurant yi nekk nañ fa euh, nekk nañ ci ben site bo xamné ne que bo tapé dina la wax fan la nekk. on appelle les restaurants clando clandestins. ah mais quand même. wala nga teg benn poto bu ndaw sax ak fourchette rek kuddu wane ne que restaurant nga mais ngay wër restaurant Fatick boobu c'est pas facile. Mm, mm, mm, beneen bi mooy. pour attirer sa clientèle picc. bàyyi leen di jël bintu mi nga xam ne ne que day taxawaalu amul lu mu def. <laughs> amul lu mu def xamul naka la accueillir nit xamul naka la des fois nga ñëw ci restaurant doo xam sax plat bi. Uh-huh. mais am nga envie ne ki la koy proposer c'est quoi pouchichi. voilà mu ne la c'est ça et ça. Euh, ça on le fait avec ça et uh-huh. avec ça. je uh-huh. vous le propose je l'ai déjà goûté avec le sourire. kooku da lay jox envie lekk. je suis totalement d'accord avec toi 1000 pour cent Bintou mais da ñëw non seulement tu es mal fagoté li nga mm-hmm. sol dara baaxu ci mm-hmm. parce que seetaan nga i tuuti Juliana et Bill benn série gis nga bi ñuy ubbi seen restaurant effectivement toog nañ ay mois jël mm-hmm. ay mannequin yuy défilé pour xool lan lañ leen solal soit noir et blanc wala ay costume et tout ça ça veut dire que c'est un travail bien sûr que c'est un travail mais dañuy ñëw jël ma jànguma tubaab bi xamuma plat yi sax lan ci mm-hmm. proposer menu c'est pas évident. effectivement c'est pas évident genre je suis très compliquée par ah, rapport à plein de choses j'arrive dans un nouveau restaurant on m'a dit où ce, ce, restaurant là il est pas mal c'est à découvrir. je mm-hmm. viens dans le restaurant. Mm-hmm. bonjour euh, voilà bienvenue nanana merci votre table est là ok merci c'est gentil. alors je regarde la carte et puis je vois parce que j'aime beaucoup découvrir des plats que je ne connais pas. je suis une grande curieuse donc je regarde comme tu dis Poutou Pacha. Mhm. Hein, c'est écrit Puchupata. Je dit, ah tiens, euh, c'est quoi Ok, d'accord. Excusez-moi, mademoiselle ou monsieur, c'est quoi Puchupata C'est à base de quoi Ah oui, c'est là qu'on te dit, attendez, je vais aller demander, je reviens. Alors là, moi j'ai dit, mais il euh, y a un problème. Attends, je vais aller demander ce que tu elle sur la carte alors que tu es serveuse ah, ah ou tu es serveur. Ah non, mais on est où là On est dans un restaurant ou. Euh? malheureusement l'eau la dit. effectivement oui. Benen bi moins que le cadre ambiance j'ai oublié. Hmm. Et le tutoiement. Tu viens dans un restaurant, monsieur, je ne te connais pas. Ah. Madame ou mademoiselle, je ne vous connais pas. Bonjour, tu veux manger quoi Pourquoi tu me tutoies On ne se connaît pas. Mhm. Mais tu me vous vois tu ne tutoies pas le client, hmm. tu le vous vois. Le client, vous vous connaissez pas, vous n'avez pas dormi ensemble, c'est pas ta potesse. Hé, eh, pourquoi tu tutoies le client avec les chewing-gum mhm. Tu vas manger quoi Oh là là, moi, je prends mes affaires, je dis excusez-moi, euh, déjà, vous ne me tutoyez pas, vous voyez-moi, parce que moi, je vous, vous vois, mhm. et puis au revoir. Parce que là, je, le chewing-gum, le chewing, ça c'est un problème aussi, le chewing-gum, par rapport à beaucoup de services, mais on ne mâche pas devant une personne alors que vous proposez un service. Mhm. Ça ne se fait pas. C'est ce qu'on appelle un manque de savoir-vivre. Ou le cure-dent. Ou le cure-dent dans la bouche. Non mais oh, tu n'es pas dans ton salon, tu n'es pas chez toi. Ah. Oh la oh là là mais il faut arrêter arrêtez-moi ce massacre là. Ben moi. ou bien euh, tu mets pas de déo. tu es ah. là ah tu vois ça ça ça lève la main alors là euh, c'est euh, voilà tu tu dans ah non mais le déo. ou bien la perruque qui sent mauvais. te dañuy dugg ci biir euh, euh, salle de préparation. Hmm. togg bi génn fi nga xam ne nekk mooy salle de service bi foofu nga xam ne xet bi dafa foor. et ah. tout ça buñ la rombee rek. Ah oui, la bah, sécurité, des trucs. Tout ça, ça fait partie de la bienséance, du savoir-vivre, et qui fera que, euh, voilà, euh, beaucoup de clients vont fuir. Mhm. Et même dans la présentation du plat, mhm. c'est-à-dire, il faut pas qu'on voit que la sauce dépasse. C'est-à-dire, c'est ah pas du « du douillek bol. Et même douillek bol, c'est que, mhm. xam nga, da le morceau bi, pour et tout ça, pour que daraboumou dépasse. Mais pareil dans un restaurant. On vient, on te donne la, décoration. Il faut que ça donne envie aussi de manger. Quand on te dépose un plat, Bora, maintenant tu es en train d'essayer de, voir où se trouve la viande, mhm. euh, où se trouve euh, la salade. S'il vous plaît, des salades aussi, les salades fraîches. Mhm. Mais salade, bon, on dirait que d'un que faute, bon, pareil, on Ah non, mais attends, euh, sécurité pour euh, hein? nos ventres. Euh, nos ventres, et puis le visuel. Le ah. visuel, c'est très important. Waouh, parce que ñam bi dina nakari, mais bon, les taj bi rek at niñ ko décorer, niñ mhm. ça te donne envie de manger. Bo les neexul, tu sauras que qui tégal na la sax au moins lo c'est visuellement mm-hmm, mangeable Ben mm-hmm, mm-hmm. benen bi mooy cadre bi ak ambiance des fois nga dugg resto mu mel ni cimetière nga dem <laughs> eh c'est vrai la déco certains restos soit elle est trop chargée

15 millions de clients sont passés au lieu d'enlever la nappe de la de, de changer la nappe parce que forcément ils ont eu à laisser des, des, des tâches mhm. parce qu'il y a la mayonnaise qui est tombée C'est ça, c'est nga la toog ci saa si lañ koy bëgg di fomp ci c'est man amna ben resto bu ma dem ma ñëw tok automatiquement amon nañu togon ci table bi mhm. mais mi ngi table je sais que hygiéniquement set nañ et tout mhm, mais xeetu eau de javel bi fort ba ça me donnait pas envie après ma lekk c'est clair Tu as l'impression que même quand le plat vient que tu manges de l'eau de javel bah oui parce que ça ça te ça te voilà ça on va parler euh, ndox bi li nga bi bi tout ça disposition automatique table bi. mais chaque minute nga may may euh, bu sax nga indi <laughs> couvercle non couvert. couvert. <laughs> mais c'est vrai. Et en plus, quand tu vois, parfois, tu, regardes la fourchette. Mais la fourchette, 11 moins le cas. C'est-à-dire que les dents de la fourchette. <laughs> Attends là, ah, <laughs> aussi, Ça veut t'agresser, la fourchette veut t'agresser. <laughs> non, tes fourchettes, des fois, pour euh, le couvrir, euh, table, sans Sans mouchoir. Effectivement, il y a beaucoup de poussière. On est dans un pays où il y a beaucoup de poussière qui viennent de la Mauritanie, etc. Il y a des, y des vents de poussière qui arrivent mhm. de partout. Donc, s'il vous plaît, sécurité pour. D'où le fait qu'il y a beaucoup de problèmes mhm. d'intoxication. Ah oui, ah oui si pas propre bah oui le cadre. cadre avec ambiance ambiance bi bokk na ci. Mm-hmm, mm-hmm. Euh, li may gëna reprocher resto yi que da ngay nekk di añ. Mm-hmm. en même temps yaa ngi dégg bol ya ca yenen waa mais c'est vrai mais à côté une musique je sais pas un pianiste ben oui, je ne sais pas Un pianiste ça va être compliqué hein, parce que là c'est beaucoup d'argent mais au moins prends euh, ton voilà une petite radio CD voilà euh, mets de la musique une sélection musicale si vraiment c'est un restaurant très sénégalais tu mets du Youssou du Chonsek pas du Mbalarem Asgwe non non parce que éventuellement les chanteurs ont eu à chanter des chansons douces euh, mm-hmm. voilà le Mbalakh doux là tu le mets mm-hmm. tranquillement du Super Diamono etc., euh, etc. Tu es là avec ton chef, tu as ça, ton mafé, mhm. tout est propre, ça sent bon, la déco, elle est jolie, elle n'est pas surchargée. Hein, je sais que vous avez, si vous avez les moyens juste de fleurs en plastique, il n'y a pas de souci, mais prenez des fleurs en plastique. maintenir ça fait réel ah. aussi. Mais des fleurs en plastique, maintenir on ne nettoie pas. Mm, mm. La poussière, c'est noir. C'est crasseux. li sa décoration formation. oui oui pitié benn rek doy na xaw ma nag qualification ben rek doy na mhm. mais lepp nga bëgg ko aj ci biir restaurant bi pour lan ban. et si vous avez des problèmes avec des mouches truc et astuce vous prenez euh, euh de, de l'huile essentielle de citron. Mhm. vous vous ouvrez juste l'huile l'huile forte hein, de citron vous ouvrez vous mettez sur la table et vous allez voir, les mouches ne vont pas venir. Ou bien de petites bougies que vous mhm. allumez. Mhm. D'accord, sur la table. Si on vous demande, oui, c'est pourquoi C'est pour les mouches, pour dégager les mouches, pour que les mouches ne s'approchent pas de vos plats. Mhm. Il y a toujours des petits trucs à faire. Hein, c'est vrai que parfois ce n'est pas évident par rapport à l'environnement où on est. Mais euh, voilà, mais ça attire la personne ben après dina tax ne que fii amul weñ ma delluwaat fa voilà Benen bi moy que goût et qualité des services manam produits frais ñu koy hmm. gën utiliser at hygiène bi am na resto yo xam faut pas rentrer dans la cuisine congélateur bi ci comme ça. Oh non les cafards qui te disent salut bienvenue musoo gis fii Sénégal. Mhm. resto nga ñëw mu ne la kaay ma dugal la si biir. Mhm. fi nga xam ne ne que moom nañuy toggee et tout ça juste pour ñamal la benn euh, produit. wala ne mhm. la xolal ñi nga xam ne ne que moom nañuy liggéeyee. parce que sincèrement est-ce que am na hygiène si li ñuy def mais je dis que yenn yi. parce que am na ñu baax. am na ñoo xam ne ne que ils sont bien. mais majorité bi franchement. doo dugg jamais seen waay. bool yi rek ngay dégg ñuy kërën kërën gi at yuuxu yi kaay jël si plat bi. 11 le numéro bah, bah, bah, 15. Et, même ça, ça dérange le client. Le client ne doit pas entendre ce que tu fais en cuisine. ne mm. doit pas entendre que tu es en train de te disputer avec le cuisinier mm. ou bien la serveuse. Mm. Il y a beaucoup dans les restaurants aussi, tu vois, que ça se dispute. Ça se dispute devant le client. Mm-hmm. Wow, il faut rester pro. Si vous devez régler vos comptes, vous les réglez à l'extérieur ou bien mm-hmm. à l'intérieur de la cuisine qu'on ne vous entende pas. bâti vous Ah ouais, tu sais, gagner aussi table. Bintou et Fatim oo ñooy servir. Mhm. Bintu peut-être génn na tuuti un moment. Mhm. mais yow pour bagn rek euh, suñu service wala suñu réputation. Mhm. ah ñu ne man euh, je demande l'addition Bintou mo serviron et tout ça. nekk fi nga mais. en attendant nga ne ko Bintu mi ngi euh dafa table numéro tu fais semblant je sais pas. Et que normalement ils sont censés connaître la table. Ah, le numéro de la. table effectivement. Ah, comme que table 15 oui Bintou Moko donne gérer elle arrive dafa que ci table bini. vous avez bien mangé le temps que vous quittons. c'est vrai en attendant Bintou di mais voilà, fanan laitog de la année. De la Bin parce que lan table Mm -hmm. Je suis d'accord. L'addition, l'addition. Et, aussi, puisque euh, les desserts, pommes, bananes, nanana, mais qu'il y ait un monsieur qui est en train de faire du ataya à côté et gratuitement qui dit, OK, puisque vous attendez. Moi, point service complémentaire. Merci. wi mhm. gis nga nek nit yi léegi dañuy soxla di liggéey réaction. Mhm. action réaction comme tu dis. Tout à fait. mais nga installé wifi mhm. nga installer li nga xamné nek moy ataya wala nga am partenariat at ñi nga xamné ne dañuy def café. ku ci ñëw mu jënd je ne sais pas tu essaies de trouver des astuces yo, que ça retient le client oui. mais malheureusement à chaque fois li nga que mon restaurant est am un du am un mhm. wala mu am du am mhm. critère de la tête aux pieds oui et problème hygiène vous savez quand il commence à faire chaud mhm. euh, c'est pourquoi beaucoup de gens privilégient les grillades quand il fait chaud. Parce que quand euh, tu es dans les histoires de sauce, de ceci, cela, une intoxication facilement. Le poisson n'est pas frais. Les fruits de mer, c'est pas frais. Parce qu'un d'eux, des Mm Parce que tu l'as laissé à l'air trop libre rapidement et tout ça. Tu as eu une, minute, deux heures d'inattention. <laughs> Le poisson, il, te, il est mort, hein. il ah est là. Hein. Mais il est mort, mais il te regarde. Il te dit, mais je suis en train de pourrir là. <laughs> et tu vas pas me donner aux clients, comme j'espère. Ah. Il y a, y a un problème aussi par rapport à, ouais. à l'hygiène. voilà ñu taal wala tàngaay bi da ngay gis ñu taal ventilateur yëpp. Mhm. ventilateur yi bu ci nek mi ngi am leund ba fess del ngay lek buy tourner leund yi di wad c'est ça. qui qui qui on n'huile pas aussi. <laughs> <laughs> les ventilos. mais nga wut booy avec des di pour ventilos. mais normalement am nañu euh, service qui pour pour pour race et tout ça normalement. am boy, ay booy les toilettes oh les toilettes des restaurants. Euh, les toilettes des restaurants. les toilettes. ah non non non non non non non. man gis naa toilette restaurant boo xam ne nekk dañ koy nettoyer dañu am service sax. Mm-hmm. boo xam ne nekk mooy partenariat moo koy respect moo koy nettoyer tous les 30 minutes et tout ça. Mm-hmm. mais quand même foofu sénégalais la set lu nekk ñoo salte. Ah. jigéen ñi dañuy ñàkk set dugg changé wu ba pare teg seen coton hygiénique yi ci kaw noonu. noonu duñ ko dugal ci mbuus sànni ko noonu nañ ko fee bàyyi dem seen yoon yaay gis ñoo xamné nek dañuy and ak seeni doom changer couche bi jël couche bi bayiko fofu ci kaw. c'est pas vrai pour te dire que ñi nga xamné nek ñoy que nettoyer di am na ñuy nettoyer mais quand même c'est les Sénégalais qui sont dégueulasses. parce que eh, jigéen naka ngay mën a ñàkk setee ba paré mm-hmm. gis say règle ba paré nga dugg ci restaurant nga jël coton bi nga tek ko ci kaw noonu nga dem sa yoon. c'est pas possible. wala nga jël sa dom nga raxas ko ba paré nga jël couche bi nga bayiko ci kaw. ci mm. douche bi alors que poubelle day nek à côté. bien sûr et les papiers hygiéniques qui sont là. Parce que c'est clair qu'il y a certains restos, il y a Satala, mhm. et tu rajoutes le papier hygiénique. Wow. Si tu as tes règles, ok, d'accord, c'est venu, nanana, ou bien là, c'est l'heure de changer, tu prends le papier hygiénique, nanana, tu changes. C'est-à-dire que même avant d'aller dans les toilettes, mhm. tu demandes est-ce qu'il y a des papiers dans les toilettes tu demandes s'il n'y a mhm. pas de papier est-ce que vous avez des Kleenex. Mhm. Madame, ñu réflexes dañuy am réflexe yóbbaale Kleenex Boy Kleenex, bo fa féké da ngay sóoraale yu bari parce que nous am ay restaurants yo xamné que c'est des insuffisances rénales. effectivement. donc du coup. booy dem da ngay yóbbaale sa mouchoir <laughs> gis nga li ñuy wax rek gis nga manque d'organisation da ngay mm-hmm. organiser woo eh, booy dem guerre da ngay de yor arme yëpp ah, nga yóbbaale sa mouchoir boo fa mm-hmm. fekkul xay boo ko fa fekkee xayru boo ko fa fekkul nga utiliser sa mm-hmm. mouchoir mais comme ni ñuy wax sénégalais dañuy rombu poubelle bi tek ko ci kaw wala xalé jigéen ni dañuy peñewu seen greffage bi nekk ci lavabo bi ñu bay ko nonu tayal nañ sax dindi ko at mouchoir non mais quand même sécurité. c'est vrai c'est vrai c'est vrai tu rentres quelque part tu vois des cheveux qui traînent de gauche à droite dans le lavabo euh, voilà la chaise. da propre propre kay jëlal mouchoir bi nga dindi sa karaw yi nga fa bay nga sànni ko ci mbalit bi effectivement et, et les garçons aussi hein on lève la cuvette hein messieurs dañuy sow ba pare affaire bi nekk ci ah ouais tu vois les traces jaunes là. yo monsieur. et il faut se laver les mains juste après avoir d'être sorti des toilettes aussi. il faut non dañuy génn rek fiu fiu génn dem. <laughs> C'est dommage, hein, c'est ah, dommage. Ouais. Mais ah. il faut le dire, il faut le dire, hein, il faut le dire, il faut ah, que ah oui. voilà. Oui, da ngay dem si milieu yu bëri mhm. mbooloo bu bëri malheureusement yooyu rek nga fay fekk. Mm. Jigeni, ñi seen greffage wala li nga xam ne ne que mooy seen serviette hygiénique yi mm-hmm. wala ñi ànd ak seeni doom sànni fa lépp loo xam ne ne que mooy euh, xale bi moom la utiliser góor yi dañuy saw ba pare bàyyi ko noonu duñu xëcc chasse duñu raxasu et je ne comprends pas aussi des restaurants où il n'y a pas d'eau dans les toilettes am na je ne comprends pas ben tu as fait des toilettes ok d'accord je pense que le must dans les toilettes c'est l'eau il n'y a pas d'eau dans le robinet. Mm, mm. Euh, le satala, dans la mesure où il y a plusieurs clients qui passent, il n'y a pas de dans le satala. Imaginez euh, une personne qui a la diarrhée, excusez-moi du terme, mm-hmm. qui, qui, a mal au ventre, il va aux toilettes. Ok. Il finit, il fait ses besoins, et eh ben il n'a pas d'eau. Il fait comment mm. Vous pensez que le restaurant, c'est juste pour faire pipi, mais il y en a qui, font, qui font la grosse commission, comme, comme les Français disent. La grosse commission, parce que voilà, c'est. Yo Voilà, voilà. Donc, du coup, tu es là. Ndor Amoul. Et, et ndor Amoul. Ah ouais. non, non maanaam ndox amul yemal ci li nga war a yem sóoraale ndox bi pour ñeneen mais le Sénégal ba Sénégal day dem Sénégal rek day dem. Euh, qui qui a de mes femmes qui viennent m'envoyer un SMS et qui dit euh, <laughs> Fatim dama xam dès que t'as as parlé de toilettes c'est des assassins <laughs> tu arrêtes ta respiration jusqu'à <laughs> Merci Kia, merci. Allez, 9h33 minutes, euh, récapitulatif. Vraiment euh, des trucs et astuces et puis on passe à la pub et puis on revient en musique et puis on revient avec l'horoscope et la cuisine du jour. Ah pour les restaurants, oui. il faut y ait une formule proposée par rapport à cette oh. diversité plat. Mm-hmm. Accès facile, mm-hmm. euh, l'accueil et l'amabilité du personnel cadre mhm. ambiance à déco mhm. euh, goût et euh, qualité des services mhm. produits frais et li nga moi service complémentaire technologie bi wifi et tout ça moi donne un truc et astuce au merci beaucoup merci beaucoup pour truc et astuce je me suis fendu la poire euh, ainsi que les internautes et les auditeurs j'en suis sûre 9h34 minutes la pub on revient après avec du Serge Benoît juste après la pub et du tout fan. Et puis l'horoscope du jour et la cuisine à table.